Je waral comme étant le coordonnateur des étudiants au sein de notre institut et que aussi nous sommes pour défendre nos cause soutenir nos frères et nos fii juste amener dal nañu te nos franchement nous naxar partager on compatit cette douleur à l'endroit de tous les étudiants du privé que ce soit le public et que aussi nous sommes pour que justice soit faite pour le repos de notre euh, euh, pour le repos de l'âme de Falocène. Justice soit faite et que nous exigeons que l'État fait beaucoup de choses et que qu'il respecte les étudiants parce que le fait d'apprendre, le fait d'étudier, c'est dur. Nous nous avons des situations et que aussi nous nous trouvons nous trouvons dans les dans les universités du privé euh, dans un peu de temps nous allons faire une, un point de presse à l'endroit de démanteler notre situation parce qu'on a beaucoup de choses à dire. D'ici la semaine prochaine, on ne va pas tarder à faire un point de presse. Si nous recevons des recevoir étudiants nous nag instant yi actuellement nous ñu privés, ci privé venus ñu ngi pour soutenir les. mais nous ñu gën a métti mooy que ne am total ndax les gens sont en parfaite divergence te là c'est pas bon Nous bu ko querelles bu Les querelles internes, day am ay querelle interne nous querelle interne yooyu noonu ñun dañ ko war di daw ndax étudiants, c'est l'union qui fait la force et à force de percer, on le devient pour de vrai. Moi, je lance un appel à tous les étudiants pour que nous soyons unis. Parce que unissons nos forces pour aboutir à nos fins. Franchement, si nous sommes nos forces, nous ne faire Touba dañuy jaxassé rek. État bi ni tay séni bu woyé yenn étudiants jox ont 5 millions ou 10 millions genre ñu beaucoup, 50 personnes sens la nous sauver suñu honneur sommes en étudiants fin fond du Sénégal pour nous. étudier Nous, nous ñu privé la bourse moins de 12, 13, 14 par chance par manque de chance nous bourse Nous pour casser loolu d'ici la semaine prochaine Inch'Allah, nous rabbi faire def point de presse et si l'État ne réagit pas on va passer à une vitesse supérieure on va passer à une vitesse supérieure